Niger, le Mali ou le Burkina Faso ont préféré s'affranchir de toute collaboration rapprochée avec la France et ont préféré opter pour un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine et la Russie, insupportable pour les Européens. <laughs> insupportable <laughs>

a rubuta 2023 ça va gâter pour la pour les français et les américains 2023 ce n'est pas bon dé wallahi 2023 ba ta da kyau kai muna hafa kai man ba la yin muna ba Allah ya rubuta cikin kundin tarihin shi da baba tani sai ya yi muku bala Allah ka yi min makorono gaskiya tunda an kaye ashe ba mutane da su laminin zan ce an rubuta cikin kundin tarihi su za su ware kyara ne Macron Baba Mon papa Macron Désolé, désolé C'est la vie, c'est pas nous Oui, c'est pas nous la faute Déjà, dès, dès leur naissance là le papa Abdurrahman Chani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré a déjà écrit ce, ce E. eux e qui vont bombarder la France. <laughs> les hommes là, c'est gâté. on est désolé, les, nos frères et sœurs Français, on est désolé. Nous, notre recherche là, on n'a même pas commencé à manger. Vous, vous avez tout mangé Voilà, ça reste un peu. C'est bon comme ça. Hein? Vous avez mangé tout, c'est bon. Laissez-nous. Allah <laughs> ka Allah a wasa a wasa babban aran da America a wasa aran aran wa wallahi kalaran to aran yalla Allah da na fami shafo shafo vraiment Allah ya ƙara kare mu na kasashen mu duka Africa da kuma kasashen ku Allah ya ƙara kare su suma dan ba mu ba mu tsaya mu sai dai mu bida alheri Inch'Allah, Inch'Allah, c'est juste la façon de, dérigoler un peu. C'est déjà bon, on est tous des êtres humains créés par Dieu. Mais le problème, d'autres ne comprennent pas plus que d'autres, c'est ça. Il y a tellement les égoïstes, les égoïstes titi, et les magoïstes titi. C'est le problème qui a causé tout ça. Si on était tous des égaux, comme on a dit, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Hmm, sai haka Allah ya rage nuna sai a hankuri Allah ya samu dace la fami Allah nu prier ku tashi mu tai mu sallah tunir mu kojin garhe ba na mun ce la fami je vous love je vous t'aime t'aime je vous moi la fami mo petit